fi indi. hey El Bacho. liggéey ci dëkk bi. lu ko fi indi. hey El Bacho. Sénégal. El Bacho dëgër na. Sénégal fit ba daa dëgër. El Bacho dëgër na fit. hey eh, fit ba daa mi de Sénégal5.com. Sénégal5.com est un site d'information en temps réel du Sénégal et du reste du monde. 5 TV, la télévision digitale numérique, où vous aurez de la politique, people, sport, éducation, santé, culture, revues de presse et vos séries et émissions TV préférées. 5 TV Sénégal, c'est aussi les replays des meilleures émissions radio et TV. Application disponible sur Play Store Contact rédaction sénégal 5gmailcom téléphone 33 864 13 24. Nous sommes aussi sur Facebook, Twitter, Instagram CEFAS, le centre de formation africain du Sénégal, reconnu par l'État du Sénégal, le premier centre de formation africain au Sénégal, une école d'excellence et de référence, une école composée de quatre départements, département des sciences de la santé, département d'informatique, département des sciences techniques, département de management et de gestion. Nos filières sage-femme d'État, infirmier d'État, assistant infirmier d'État, délégué médical, vendeur en pharmacie, analyse biologique, qualité, hygiène, sécurité et environnement, agroalimentaire, management des entreprises agricoles, électrotechnique, génie civil, génie informatique, informatique de gestion, réseau et télécommunications, développement web, transport et logistique, transport aérien, transport maritime, commerce international, comptabilité et gestion, transit douane, gestion des ressources humaines, gestion des entreprises, secrétariat bureautique, banque finance et assurance, audit et contrôle de gestion, assistant de direction, marketing et communication, journalisme et communication, droit des affaires, gestion de projet. Nous proposons aussi d'autres diplômes sur la base d'une convention de partenariat qui nous lie avec de grandes universités américaines et marocaines. Nos diplômes, la certification, le BT, le BTS, le DTS, la licence et le master. Nous garantissons un stage à tous nos étudiants, à tous nos étudiants sans exception, car nous sommes en partenariat avec de grandes entreprises, les plus grands hôpitaux, districts sanitaires et postes de santé du Sénégal. Nos formations se font en trois étapes. La théorie, la pratique et le stage garanti à 100% à tous nos étudiants. Nous avons l'une des meilleures salles de TP au Sénégal. Notre école aussi dispose d'une bibliothèque numérique. Nous sommes ici à Dakar, à la cité Cœur d'Amel, en face Yangoulène. Email cfasénégal.com. Téléphone 00221 33 833 54 44 00221 77 868 50. bébé tey moom kontaan naa trop ci yow. Hmm. sama xol sedd na. wallaa bëgg. je t'aime ma la bëgg. aw ma ci yow sago. mais nag sois prudent dégg nga. bi xam nga rek mooy loolu. am nga amul seen koñ bi kay. waaw kon léegi nag fii laa yëm baala nga dem. Hmm. mais nag sois prudent xam nga rek koñ bi mooy loolu te wóorul. xam nga waaw léegi yow après boo yeggee nga def ma si. waaw ba fii bu la xel ñaar yow koo laal ma. Hmm. man maa la moom. kenn du laal ci jàmm rek ngay dox. waaw aussi, je okay, bye. Bisous. Ok, bye. Dulu. Ok. Ok, ciao. Ciao. gara-gara kamu, Oke, okay, agressé yow dañoo jël sama xaalis. waaye kon nag kon nag kon nag lii la nii. sama khalis, dañ maa agressé bi. da ngaa bob, bopp lépp waxoon naa la nee naa bi sama telepon, sama iPhone 12 bi sama 300 mille yëpp dem na. kon la agressé. si yoon bi xanaa waaw garaaw waaw garaaw calme wu calme wu calme wu. léegi da ngaa génne xaaral ci mbedd bi di ko compter xam sama sac bi kau, yuuxu bay bëgg a dee sàcc nañ ma. ki ma ma agressé. kan ki ma yóbbu sama saak sama saak bàyyi ni kii la. yow dof nga rek nan nga may wax agressé ni kii ba pare indiwaat ko fii sa kër. Oh. yow lu tax nga dof. ki la lay wax ni yow ki la lay wax ni. bàyyi ma ki fa dof yorul kumba bébé. bàyyi bi ak bàyyi ma c'est fini bu ma woowati yaa may dégg bu ma woowati c'est fini bàyyi. bébé bàyyi ma allo. kon tu es. yow kii. aw toxal yow aw doxal damay wax ay ngay wax ay affaire dox nga yow liggéey ak yow neexul dara bis boo ma laalee ma toj sa mbaaxee mu kon war na yow wéeroo yow yéen ay dof ngeen rek yow leex na ma ne si feebaru ndoxum sit yi dañ cee jël moo tax ngay def sa ji ba toog samay jëmi jox ma xama dem mission yow jëm parce que dafa jox mënu maa jox benn mission